Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey. Amis auditeurs, auditrices du studio Kalangu, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue sur cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. L'artiste va non seulement s'exprimer aujourd'hui, mais l'animatrice aussi a un mot. Rabia Mekono, ma binôme de tous les jours, est sur cette rubrique aujourd'hui. Rabia, Lama, Shin, te souhaite welcome. <laughs> Merci, Comment tu vas Ça va, ça bien. Ça fait plaisir en tout cas de te voir euh, sur cette ah rubrique hyper content d'être là. On peut avoir un retour déjà, un retour euh, des jeunes qui kiffent cette rubrique à travers tout ça, la fada, la version franco-aoussa, Rabia. Oui, il sont fans de cette rubrique. Ils sont vraiment sur le terrain, tu les vois, ils sont, ils dansent, on chante avec les artistes que tu accueilles. C'est vraiment une rubrique très appréciée par les gens. Tu veux me dire par là que les gens se retrouvent à travers cette rubrique Ah, ils se retrouvent bien. Qui sont connectés Depuis Agadez C'est leur idole, carrément. Depuis, Agadez, Tilaberi, Difa, Tawa, ils adorent. Niamey, Zender, Maradi, tout ce qui kiffe cette émission un peu partout au Niger. Merci pour votre voix de confesse. Alors, Abia Mekano, hier, yeah. Euh, Nous étions avec. Euh, avec Ayman sur euh, la Fada français Aoussa. Ayman, aujourd'hui, euh, je suis là avec toi, avec Gandhi. Ça va, Ayman Tu vas eh, bien hey. Eh, eh, Ça va, Alhamdoulilah, Rabbi. Voilà, aujourd'hui, tu es aussi avec la machinette et. La machine. Voilà. Ça fait hier, hier, il était question de ta carrière d'artiste, de ta vision de la musique nigérienne. Comment tu la sens Comment tu la vois, cette musique Aujourd'hui, Dandy, on va parler de son album. On va parler de 28 11 Cargo, ladies and gentlemen. c'est le nom de l'album, hein ah ouais. Ouais, mais tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que tu as des questions par rapport à l'album. Je te dis, je l'ai d'abord, je l'ai grave kiffé ton album. <laughs> Merci. <laughs> bon, la petite féministe en moi a saisi cette occasion quand on m'a dit viens, je dis bon, je suis là, j'ai des questions pour Ayman. Et Ayman, je peux aller Tu es prêt là Tu es <laughs> prêt, moi. <laughs> voilà. <laughs> Ayman, euh, aux États-Unis, on a vu Chris Brown. On a vu euh, le Romeo des temps modernes tabasser notre Rihanna. Euh, récemment, au Mali, c'était qui diabattait. Ayman, ce que j'ai retenu de ton album, c'est que tu chantes l'amour avec un titre que j'aime bien. Ah. Marraine. <laughs> un peu, un peu, un peu, avant, la question, un peu. D'accord. un peu. Euh. Moi, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Ayman a besoin de toi. Voilà. Ayman, t'es aussi jeune marié. Ayman, il a chanté l'amour, mais tellement de fois, on a kiffé les filles tu commences tu vois, non Un peu comment, tu vois cette différence entre ce que les artistes chantent et leur vie par exemple, quand un artiste chante l'amour, quand il chante la femme, la beauté de la femme, et qu'on l'entend tabasser la femme, ou un peu comme Arkeli et tout. Ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait bizarre, quoi. On <laughs> et paradoxal. Ça va, paradoxal. paradoxal, <laughs> Comment tu euh, vois euh, cette ambiguïté euh, Je vais juste te prendre un exemple, un de mes sons. Où je dis petit frère m'a cité en Kaigete. Ni maman, ni Pour te dire que quoi, souvent, euh, il ne faut pas voir que les paroles. Il ne faut pas voir que ce que dit une personne. Il ne faut pas voir juste la personne et penser que cette personne-là, elle est parfaite. Tu peux chanter l'amour. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui entraînent certaines choses. Euh, aujourd'hui, tu peux retrouver des artistes chanter l'amour, chanter l'amour, et puis entendre demain, qu'ils les entendent commettre euh, des, actes vraiment euh, tellement paradoxaux à ce qu'ils disent. C'est pour te dire que nul n'est parfait dans ce monde. Moi, je ne, je ne suis personne pour juger qui que ce soit, ni pour condamner qui que ce soit, mais je te dis tout simplement que nul n'est parfait dans ce monde. Ayman, aujourd'hui sur cette émission, nous allons parler de 28 11 Cargo, un album de 12 titres. 28 11 Cargo, pourquoi 28 11 Cargo, Ayman D'abord 28 11 qui fait allusion à une date, 28 qui veut dire 28 novembre. Mhm. Donc euh, et cargo qui fait allusion à, un poids. Mais parlons, de Parlons de la date. La date c'est l'arrivée au monde de, ma fille. C'était le 28 11. Donc euh, j'avais voulu garder juste l'année. immortaliser, cette date. Et cargo, pourquoi cargo. Explique-moi le concept cargo. Cargo pour te dire que l'album est tellement costaud que je compare cet album-là à un cargo. Un cargo, c'est un gros porteur, que ce soit un avion ou. Du lourd. Voilà. Et album de 12 titres. On peut peut-être avoir quelques titres sur cette émission, euh, Ayman. le, premier déjà titre de cet album, c'est. c'était un son en featuring avec d'Andy Ouais. Donc, Cool. Alors, en dehors de ce titre, en dehors, bien évidemment, de cette chanson, quelle autre chanson on a de l'album de J'ai un son que je kiffe le plus qui, qui s'appelle Compte sur moi. Compte sur moi. C'est un des sons que je kiffe. Que tu kiffes, hein Ouais. Alors, on peut compter sur toi sur cette émission Les vrais MC sont passés d'un côté les faux M6 ne font que boycotter. On prend la vie toujours du bon côté, pour ça on produit, on produit comme Dangote. côté, Personne n'est là quand tout est capoté. Certains, au passage, ils veulent tout ôter. Tout ôter. tous ceux qui nous ont saboté, qu'un jour en famille, en famille, on va 28, 11 cargo, les 19 gentlemen, c'est de cela qu'il s'agit sur l'émission Tous à la fin à travers cette rubrique que l'artiste s'exprime. Rabia Mekano, tu as kiffé certainement l'album. Alors, dis-moi le titre que tu as retenu de l'album, toi. Marraine, bien sûr. <laughs> Marraine De toute évidence. Euh, euh, ami, euh, auditeur, auditrice, c'est la reine de la Fada, Rabia Mekano. Rabia, on te kiffe sur cette émission. Alors, on va, on va faire plaisir à la reine Ouais, sans souci. Non, on la regarde, s'il te plaît. On va chanter pour elle aujourd'hui. Non, non, mais fais gaffe aussi. Hein. Ok, d'accord, fais gaffe. Alors, Rabia on te regarde, on va chanter pour toi. Allez. Tu, tu, joues, tu considères que euh, c'est comme si nous sommes dans la, dans la vidéo, dans le clip, voilà. dans la vidéo. Donc, du coup, tu joues ta reine, au fait. Voilà. Fais ton malin. Fais ton hmm, malin. rabia, nigo man. Manga ni nang. Attention. Ok. Rabia, Nigoman. man. Ah, ah. Manga ni nang. Kinugu kirman kani Bin ba déjà Non moi je ferai mon truc ma version machine tenvako parce que t'es une machine alors tu choisis wanga de wanga wani la kadawane gani bisa y'a a pas de souci alors on, vient à l'instant de kiffer ma reine Rabia alors dis-moi Ayman moi je vais te dire ce que j'ai j'ai beaucoup kiffé dans cet album hein. laisse-moi deviner laisse-moi deviner c'est quoi Petit frère. Alors fais-moi petit frère. <laughs> fais-moi petit frère. Petit frère, moi c'était Hankei Gate. Tere ilale kanidi. Petit frère, ni maman Hankei Gane. Ni maman, ni matin Hankei Gane. Kaine, moi c'était Hankei Gate. Moi si Zayda lale kanidi. Kaine, moi si Hera bintune. Moi si Hera bintune. Zama goya mo ba goya mo. Yamani bu bise zay sene hawi. Mo bondum ni wana Hera se. Hanne si bani matabi masigana kyorolale kaine suba kaine gaino gendede guni sintubu masite sede din furusani raba osin bade anyanda baba inna bare kayanga faiga kayirke akanu aderu igo irjane akanu aderu igo irjane masite hankaiga ni mama hankaiga ne masiheira vinsu Masi alors je pense doit à alors, en tout cas, on te félicite. moi, je sais déjà que les jeunes kiffent ce que tu fais. Tout le monde aime ce que tu fais. Moi, personnellement, je kiffe ton son, je kiffe eh, ton son, petit frère, je kiffe l'album. Je kiffe euh, l'album. Euh, euh, parce que tu dégages au fait, quelque chose de positif quand tu es sur scène, tu es souriant et c'est vraiment, ça fait du bien. Merci. Écouter, ah, Te voir ça fait du bien, hein, on ne finira jamais de se faire du bien et faire du bien aussi à la jeunesse. Nous sommes à la fin. Ravi Mekano. On va prendre congé donc de tout ce qui kiffe cette émission. Alors, eh, eh, ouais, bien sûr. bien eh, sûr. mais Ayman, tu, as, tu, as, tu as quelque euh, chose pour tes fans, quelque chose pour la fin. Euh, je vais te proposer un truc, mais une surprise. C'est une surprise On a des surprises. Avec ah, moi, c'est toujours des choses nouvelles, des choses surprenantes. Surprends-nous, Ayman, <laughs> surprends-nous. Sundo ɗauki hey. sun manta na Nijar muna ganin shugaba suna so su taida mu. Za su kashe mu. Wahala suke ta sa rayuwanmu ba za su bar mu ba. Wahala. Wa zai kula da talaka. Wa da Allah. Babu mai kula. Babu. Wa zai tuna da talakawa. Mana. Babu mai kula. Sun ɗauki duniya. Missa Ayuba Mustafa était de la partie pour l'Alsace C'était était de la partie c'était Ayman RMK Et la machine